Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Le coronavirus est encore là. La pandémie, mesdames et messieurs, n'est pas finie car le virus circule toujours. Nous, surtout ça, à travers la rubrique Artistes s'expriment contre la Covid-19, on reçoit à chaque fois un artiste impliqué dans cette lutte contre la Covid-19 à travers une interview. Cette semaine, nous recevons un taureau d'islam, ladies and gentlemen. Autour du thé, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Autour du thé, j'ai appris à tâtonner. Autorité, j'ai appris à papoter. Champion de tous les débats, dernier de toutes les actions. Actualité, je suis le best. Politique, je suis au top. Réalité, je tire la queue. Autorité, j'ai vu la pandémie du Covid-19 arriver. Et autour du thé, j'ai constaté qu'il a un message à me véhiculer. Autour du thé, les dizaines de gentlemen, nous allons parler de la Covid-19. Autour du thé, vous êtes connectés certainement un peu partout puisque c'est les grandes vacances autour du thé, faites surtout gaffe, le virus continue toujours à circuler. Si vous ne faites pas très attention, ça serait l'apocalypse. Oh yes. Tout est question de temps. La science est menacée, la médecine est effrayée et l'humanité tout entière est en train de se chercher contre cette maladie qui guette nos maisons, qui guette nos soyers et surtout nos sociétés. Faites très attention. Alors, las, Sina, c'est le nom de l'artiste. Je lui souhaite la bienvenue. Là, si, comment tu vas Ouais, je vais bien, je vais bien, eh, super. Dis-moi, eh, tu pètes la forme, j'espère bien. Super. On est autour du thé, tu as pris déjà le premier et ça le fait parce que nous sommes tous à la Fada. Et quand on parle de Fada aussi, on, sait que c'est le thé au maximum. Et puis Alors, ça va, ah, ah, euh, euh, euh eh, Tout se passe bien, le virus continue toujours à circuler. On sait que cette pandémie a secoué d'une manière ou d'une autre le monde. Alors, le monde artistique, comment est-ce que vous avez senti cela euh, nous l'avons senti tout comme le monde entier, tout comme dans tous les domaines. Tout est à terre, artistes que nous sommes, engagés que nous sommes, on ne va jamais baisser les bras. Nous allons les combattre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors nous allons combattre bien évidemment la Covid-19, nous allons combattre le coronavirus Sous l'émission Tout ça la Fada, sur cette rubrique bien évidemment intitulée Artistes euh, s'exprimant Covid-19. Alors là, on sait que l'artiste est extraordinaire, on sait que vous êtes kiffé, et bien évidemment à travers le monde, on sait que tout ce que vous dites, ok d'accord, la jeunesse quand même tient compte. Et cette jeunesse aujourd'hui, euh, des fois se dit que le virus n'existe pas et on sait aussi qu'on a baissé d'une manière ou d'une autre la garde et on continue aussi à enregistrer des cas. Alors quel serait aujourd'hui euh, ton message à l'endroit de cette jeunesse qui kiffe, bien évidemment, euh, cette émission pour leur dire de faire très très attention. Mais le virus est toujours là, le virus continue toujours à circuler. Mr. Las, Was, Nas. Alors, le truc, il est très simple. C'est que déjà, nous sommes avertis et un homme averti, en, vos, en mille, si vous voulez. Mhm. Alors, nous allons continuer de respecter les mesures barrières. Mhm. Euh, c'est des choses très simples, la distanciation sociale. Mhm. Pas besoin de se serrer la main. Et eh, yo frérot, faut faire ses Donc il continue de casson. Oh mais il continue à casson. Super. Alir euh, bonza. OK. Donc euh, je pense que la lutte elle est elle est unanime. Pas besoin de voir quelqu'un qui a la maladie parce qu'il suffit de voir pour être contaminé aussi. Bien sûr. Autant utiliser régulièrement nos bavettes, c'est-à-dire les masques. Mhm. mais mhm. nous sommes donc euh, miss euh, Laswas euh, pratiquement à la fin de cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne alors en slamant Laswas Nas je voudrais que tu t'adresses à toute cette jeunesse qui kiffe cette rubrique un peu partout au Niger, en slamant bien évidemment le mot de fond. En ce qui concerne ce numéro, c'est de ça que j'ai besoin. Mist, Las, Was. Alors, le plaisir est mien. Et jeunesse. Et oui, cette fleur de l'âge qui déborde d'ambition. À nous la parole, à nous le combat. C'est maintenant ou jamais, on doit s'engager mourir ou périr, <laughs> on va tous y aller. L'essentiel, c'est qu'on combatte et qu'on s'en sort la tête haute. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci de continuer de soutenir et merci de rester chez vous. Et aussi respecter les mesures barrières. Merci. Merci aussi, ok d'accord, à toute cette jeunesse qui réalise cette émission de l'autre côté. On dira aussi au euh, big up, bien évidemment, à mon ami euh, Mustapha Yubak euh, qui réalise cette émission. Nous vous demandons, mesdames et messieurs, de rester en compagnie du programme du studio Kalangu à travers nos 45 radios partenaires. La jeunesse, c'était Mr. Las Was Nas, c'était Don Di Lama Hey.